tape sur les ça? Et pourquoi ça Thank you. les Les wálé. Báwo see, jọ sí No. Hey! mes grands-parents avaient beaucoup travaillé. enchaîné bien sûr. L'embarquement se faisait sur le fleuve de Victoria à Libé. la mañana